shirin mu barkan da sake tare da ku a cikin wannan shirin mai Shamsu A cikin shirin na nous allons parler de la fada des filles et voir la place de cette institution dans l'inclusion des femmes et des jeunes filles dans les prises de décision ici au Niger. La fada des filles est née en octobre 2021. On peut lire sur leur page Facebook que c'est une résistance à la marginalisation. Elle offre à ses membres ainsi qu'aux femmes de la communauté le droit à la parole et à la prise de décision communautaire. Qu'est-ce que concrètement la FADA des filles? Comment s'organisent les réunions? Quel rôle joue la FADA des filles dans l'inclusion des femmes et des filles dans les prises de décision? Ga amsa cikin wannan shirin na yau. Et c'est parti pour 35 minutes d'échange de musique, de rubriques et chroniques. Ma'abotan sauraron shirin waɗa fada yau mun yada zango ne a nan filin studio Kalangu tare da 'yan matan fada da fi pour parler de la place de leur institution de l'inclusion des femmes et des jeunes filles dans les prises de décision au Niger. Bonjour, euh, je m'appelle Boubacar Zakou Zainabou, je suis la présidente de la FADA des filles. Moi, je suis Juba Amadou je suis animatrice de la FADA des filles et je suis également la trésorière de la FADA des Moi, c'est Boubacar Adama, je suis animatrice de la FADA des Moi, je suis Issoufourabia, je suis la secrétaire générale de la FADA et aussi animatrice. Moi, c'est Issa Tamponé Malika. Je suis la coordinatrice de la FADA des filles et également animatrice. Sunana Mohamed animatrice à la FADA. Alors, bienvenue à toutes dans notre FADA. Donc, nous allons directement commencer. Zainab, je veux commencer avec vous. Zainab, qu'est-ce que la FADA des filles euh, Vous savez, dans les communautés, certaines communautés euh, nigériennes, la FADA est un espace d'échanges réservés uniquement aux hommes et aux garçons. Donc, euh, c'est-à-dire que les hommes se réunissent euh, dans une fada autour du thé pour euh, discuter de toutes les questions qui les tiennent à cœur. c'est une idée géniale, mais sauf que cette idée exclut les femmes et les jeunes filles de cette tribune. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé de faire la fada des filles, qui est un cadre d'échange convivial et de sensibilisation. Elle est également euh, un espace de solidarité entre les femmes, entre les filles, un espace de solidarité entre les garçons. Donc euh, dans cet espace convivial, nous engageons les conversations pour euh, sensibiliser les gens autour des pratiques discriminatoires, toutes les pratiques discriminatoires. Vous pouvez nous en citer quelques-unes Les pratiques discriminatoires, par exemple, on peut parler de, du mariage forcé, euh, de la non-prise en compte des femmes euh, dans les instances de prise de décision, euh, il y a aussi les pratiques néfastes qui sont là. Alors, Alima, vous pouvez nous dire comment la FADA des jeunes filles a-t-elle vu le jour Ok, la FADA des filles, l'idée de la FADA des filles provient du 11 octobre 2021, qui est la journée internationale de la jeune fille. en cette journée, le ministère de la promotion de la femme a mis les filles au cœur de l'organisation. Donc, euh, cette organisation a, créé aux filles, Ils ont vu l'importance de, leur contribution dans la communauté, comment elles peuvent gérer les choses et à quel point elles peuvent changer le monde, apporter leur contribution dans le changement. C'est de là sort l'idée de la FADA des filles parce que les filles étaient au cœur de cette organisation, les maîtresses des cérémonies étaient des filles, c'était, tout était des filles donc l'idée de la FADA des filles. L'équipe qui était à l'organisation de, la journée internationale de la jeune fille, qui, qui les filles qui sont devant vous, mm. Nous, nous, étions dans la mobilisation, le transport. Nous avons rempli le palais de congrès. Parce qu'au ministère, ils étaient, les gens étaient étonnés qu'on puisse remplir le palais de congrès, tenir la journée impeccablement comme ça se doit. C'est d'où on s'était dit qu'on peut le faire. on peut apporter du changement, on peut faire quelque chose. To Adama za ki iya kwatanta muna comment s'organise vos réunions? A kuke shirya haduwar ku? Inda muna nan muna organizing réunion mu sai mu zo kawo muna haduwa ne wajen wuri guda mu tattauna biskan thematic inda za mu yi don mu ba juna kowa ya bayani mu samu même niveau eh, da za mu tattaunawa. Mm. Shi yasa in muna nan ga réunion mu sai mu zo a ko waɗanda suke diba muna in mun yi shi ma sai mu kai mu ce a diba muna in yayi in bai yi ba kuma sai a kawo muna correction gare shi kamar canva in eh canva in da muke su to yanzu yaya ne ya kel frequence par exemple kuke yin reunion in ku a kel occasion kuke yin su in akwai wani activity kuma ko babu activity yanzu inda muka kai ba mu shiga sai akwai activity mu ce mu hadu muna zawa ne in kowa yana da wani abun ga ide cikin kanshi ya kawo ya hodi wanga ya hodi nan ne muke zamna mu tattaunawa mu ɗauki wanda ke da essence din biskan shi ne za mu tahiya C'est ce qu'on appelle euh, dans notre jargon laboratoire d'idées. Ba réunion ba ne laboratoire d'idées ne da muke yi. Mine ne lab? Laboratoire d'idées kin shine uh, abun abunda yanzu ta hodi. Muna doki juna ne wani wuri guda. In a ce par exemple muna da activité da yana wani a ce wani 13 mai sai mu yi laboratoire d'idées bisa kan thematic in za mu zo kowa ya abunda abun da ke kikin kanshi sai tare mu ga wani iri message wani iri wani iri wani sako ya kamata muke iya ba mutane da suke zuwa wurin fadamu eh. don laboratoire dide in haka ne za a yi shi kwa kamar repetition kun gane haka ne mm. haka muke yin shi eh muna taru ne muna taru ne tsakaninmu sai a yi kamar haka in kuna repetition to dole mu ma sai mun yi kuma mu yi abin ga muna sakonnin nan ran nan za mu tattauna su mu gani wanda za a kai da wanda ba a kai kuma kahin a ce organization in ma wajen laboratoire in ne muke kaman fati mi ya kamata ta yi rabia mi ya kamata ta mm, yi adama mi ya kamata ta yi mm. in, mutane sun zo wa zai ce musu eh, sun zo eh, lakai kwa eh, zai mana kuma in mun kare sensibilisation in da muke yi kaman group group ne za mu yin shi mm. yanzu muna plus d'une vingtaine sai a ce muna da activité mun yi laboratoire cikin laboratoire muna ce mutum biyar biyar kamar mata biyar biyar suna zamna cikin group guda in mutane sun zo akwai group group group mutane su zo sakon nan da muka gyara mm. wajen laboratoire sakonnin nan ne in mutane sun zo mutum ya doki guda ya diba ga kan shi mm. ga kan shi bamu bamu sa bamu bamu tilasa kowa ya doki abun da bai so abun da yake so ne yana doka suje in da yake so ya tai ya yi magana da eh, laifi les mm. matris yanan in mutum ya zo deja eh, group grupoyin suna nan sai mutum ya zo ya tai ya zamna in an yi sensibilisation an kare an gane mu juna an yi magana kuma mutum yana tai ya doki foto in yana so kuma mm. tunda kun san mu fadan in mu ba mu sa ba mu tilistar da mutane mutane mm-hmm. eh. in mutum ya ga dama ne yake yin shi alhamdulillah ko mutane duka in sun zo sai su doki foto suke gaskiya abun da muke ga yin yana da yana da mana shi daukan fotokin nan muna ah. postan su ne biskan facebook e pour nos archives ana tambayen mutan ana tambaye shi ma ne kana so a yi muna postan shi sq sativa in ya ce iwi yana so sai mu yi poste kuma muna gardan su cikin archive mu Et autre ça. chose aussi pour les photos, ce ne sont pas, je rappelle que ce ne sont pas des photos de beauté. Voilà. Ce sont des photos pour faire passer des messages. Donc la personne choisit des photos parlantes. Quand on voit la photo, c'est pas la personne qu'on voit parce que nous imprimons les messages de telle sorte qu'on peut les lire étant avec la personne. Mm. Donc c'est des photos parlantes qui mm. transmettent des messages. Donc la FADA défie au cœur des sensibilisations contre les pratiques discriminatoires. Dondi, Fili, Avec sa rubrique L'artiste s'exprime. Sur cette émission, en étant jeune, nous avons sollicité une diva, une icône, une légende vivante qui parle du Niger hors de nos frontières. Aujourd'hui, grâce à elle, certainement beaucoup ne font plus l'amalgame entre le Niger et le Nigeria. Elle est une fierté nationale et nous n'allons pas attendre sa mort pour dire que elle a fait ceci, elle a fait cela. Nous faisons aussi avec l'actualité. Récemment, elle a été hors de nos frontières. Elle a hissé haut le drapeau du Niger. Nous sommes fiers d'elle. Et quand je parle de cette dame, j'ai la chair des poules. Tout sur Aïcha Maki. C'est tout de suite et maintenant sur euh, l'émission Tous à Fada, sur la rubrique L'artiste s'exprime Aïcha. Non, sérieusement, regarde, j'ai la chair des poules quand je parle de toi. tu fais notre fierté, au fait, tu fais la fierté du Niger. Ça va, tu vas bien Oui, lundi. Tu, es en forme Ça va, oui. Comme d'hab, hein Oui, comme d'hab. Parlons de Aïcha Maki, de A à Z, le parcours de la combattante. Ok, merci euh, au studio Kalangu, Fondation Hirondelle. Ah, C'est une euh, joie pour moi d'être euh, ici aujourd'hui à cette émission. Aïcha Maki, 10 ans, je suis née et j'ai grandi à Zender, ok dans un quartier qui s'appelle Lungo Alkari, donc c'est un quartier vraiment populaire. Contrairement à des personnes qui pensent que je suis euh, de la famille des Makisal. Je ne le suis pas, mais je suis la fille de mon père, Maki. Maki. C'est le fils de Zender. Des Zender, c'est le fils des feux Alkali Malam Kidi. Ah, d'accord. Donc moi je viens d'une famille euh, hautement religieuse. Mhm. Euh, de mes deux parents, il faut les dire tout de suite d'entrée en jeu, que personne n'a été à l'école. Ouais. Mais euh, ils ont fait des sacrifices, entre guillemets, de m'envoyer à l'école parce qu'ils savaient que toute descendante d'une famille euh, religieuse, j'avais besoin de l'école pour une ascension sociale. Allez-y, savoir, chercher le savoir jusqu'en Chine, s'il le faut, Dieu l'a dit. Absolument, absolument. Donc j'ai mon éducation à la base jusqu'au lycée était mixée entre l'école moderne mhm et l'école coranique en week-end, euh, là où j'apprenais le Coran et les préceptes de l'islam. Donc c'était comme ça que j'ai avancé euh, jusqu'à mon bac. J'étais dans des écoles publiques, donc je suis un pur produit de l'école publique. Toute ma vie, l'État a financé sur moi. Ah. Donc euh, oui, moi je n'ai jamais fait d'école. Ah, d'accord. Donc moi je viens d'une famille hautement religieuse. Mhm. de mes deux parents, il faut le dire tout de suite d'entrée en jeu, que personne n'a été à l'école. Ouais. Mais euh, ils ont fait des sacrifices, entre guillemets, de m'envoyer à l'école parce qu'ils savaient que toute descendante d'une famille euh, religieuse, j'avais besoin de l'école pour une ascension sociale. Allez-y, cherchez le savoir jusqu'en jusqu Chine, Chine. s'il le faut, Dieu l'a dit. Absolument. Mon éducation à la base jusqu'au lycée était mixée entre l'école moderne mhm. et l'école coranique en week-end, euh, là où j'apprenais le Coran et les préceptes de l'islam. Le cinéma en toi s'est réveillé à quel moment de ta vie Bon, euh, peut-être avant de parler du cinéma, il faut parler d'abord de l'art dans sa globalité. L'art Parce que la première fois que je suis allée sur scène, j'avais 6 ans. 6 ans J'ai interprété une chanson qu'avait euh, écrite euh, Fé Sherif ah. et qui cherchait une voix portaise qui allait porter le message de la jeunesse de la région des Anders ah, en présence du président Fé Ali Seibou. Elle est née artiste, mesdames et messieurs. C'était quoi l'interprétation C'était une chanson qui était dédiée à la jeunesse scolaire de la région des Anders qui s'appelle Zender, région de mon enfance. On coupe le son. J'ai envie d'avoir cela sur cette émission. Ah C'est important. Les débuts de l'artiste pour qu'on découvre aussi un autre côté de Aïcha. C'est ça la mission de cette émission. Zende, région de mon enfance, c'est toi qui m'as vu grandir. Apprends-moi ton histoire. Et quand je saurai cette histoire, j'irai dans la forêt Juré d'Allah, ça va raconter ton histoire. Elle est venue à Niamey, en pleine ville, la capitale du Niger, pour raconter l'histoire de Zender. Le film qui est d'actualité, mesdames et messieurs, c'est une promesse de 6 ans. Aïcha, parlons des débuts de l'artiste. Parce qu'on m'a dit parcours du combattant. Qu'est-ce qui t'a amené Aïcha dans le cinéma Je C'est toujours à euh, le continuum de l'art. Quand j'étais à l'école primaire, Jusqu'au lycée, je faisais un peu du tout en fait. Je faisais de la poésie, je faisais surtout du théâtre. Et donc ah. le cinéma à proprement parler, c'était suite à la science. Suite à la science Oui, la sociologie. Je suis sociologue de formation et c'est sur le terrain que j'ai eu envie de faire un revirement pour euh, aller vers le cinéma. Wow. C'était le déclic en question Tout à fait. de l'artiste Aïcha Maki, mesdames et messieurs. L'instant est solennel. Quel serait le message de l'artiste Et qui s'exprime. À toute la jeunesse du Niger particulièrement et celle du monde entier, je vous exhorte à suivre votre passion. Parce que la passion, elle n'a pas de limite. Quand vous êtes passionné, vous êtes capable de faire bouger les montagnes. Croyez en votre passion. Allez vers des gens sont en train de vous donner des messages positifs. N'acceptez pas qu'on vous dise que vous n'êtes pas capable. Pour moi, rien n'est impossible. Et même dans l'impossible, il y a le possible. Aïcha, machine. Aïcha, finish. Hey. Amis de la Fada, nous sommes de retour dans l'émission Tous à la Fada avec notre sujet du jour, la place de la Fada des filles dans l'inclusion des femmes et des jeunes filles dans les prises de décision au Niger. Camarien de Koukassani, yau muna a un Studio Kalangu, indam tattaunawa avec les filles de la Fada des filles qui font des sensibilisations sur toutes les pratiques discriminatoires contre les femmes ici au Niger. Donc, on va continuer avec nos questions. Donc, Fatih, ki fa participe a la fada wane ne yake iya zanwa wurin fadar ku kamar ku mata zalla ne kuna korar maza ko kuma maza ma kan iya zanwa wurin fadar taku a'a ah, ah, ba mata kawai ba suke iya zanwa cert on est entre filles les animatrices c'est duka mata ne tsakanin mu. amma dai ba a ce ba a'a mata kawai za su zo maza suna iya zawa uwaye suna zawa yara suna zawa sai ouvert à tous kowa yana iya a zo a tattauna tunda c'est des sujets qui touchent tout le monde en fait c'est des, des, des problèmes de société qui touchent absolument tout le monde donc on va pas exclure de que ah, ah maza za su zo ah, ah, mata zo non c'est tout le monde qui peut venir to yanzu ke Zainab Mi ake cewa mamburorin ku yaya kuke zaben su kakane idan ina so ni in shiga cikin fadar ta ko kuna karbana ko kuma vous avez des critères fixes pour adé, pour faire adhérer les autres to gaskiya dai ba mu da critère fix tunda in dai akwai conviction in nan da muke da que haka muka, muka ga juna ba kowa bai san kowa ba amma tunda muna da abun nan conviction muna da vision guda hmm? tunda muna da vision guda mun tartarin juna muka sa hannu ga hannu muna aiki yanzu in wata in kaman ku kuna so ku shiga bai masala ba dai abun da muke gayin vous êtes convaincu kuna da on a, on a la même vision kenan babu masala mana et que vous soyez kaman in, kun tai école ko ma baku tai école ba nous ça nous importe peu yanzu ku nawa ne ta kin fada da fi plus plus d'une vingtaine plus d'une vingtaine au début en fait c'était pas une ONG, bah ONG, bah mm. c'est devenu une, ONG. Et comme toutes les ONG, si la personne accepte, adhère au règlement intérieur et puis le statut, mutunya yeshiga. Mm, Yanzu yeshiga pour que la personne soit un membre. Comment comment elle doit procéder Nous contacter, prendre attache avec nous, venir nous voir et on lui explique ses qu'on fait. Vous pouvez taper sur euh, les réseaux, sur Facebook par exemple, la Fada des et vous allez voir la page, vous allez visiter, vous allez voir ce qu'on fait, nos posts, nos publications. Et là, vous pouvez nous envoyer un message et on va répondre. De, de la page Facebook, vous n'avez pas pour le moment, euh, on n'a que la page Facebook parce que c'est une nouvelle euh, organisation, si je peux le dire. Et nous avons commencé. Donc pour le moment, il y a la page Facebook qui est disponible pour prendre contact, pour prendre attache avec nous, pour entrer en contact. Donc euh, vous pouvez nous visiter, vous pouvez nous contacter via la page. Ok, c'est Adama. Adama, quels sont les thèmes, disons, que vous abordez le plus Kau ba abun ga guda ba muke, tattaunawa ne gaba ɗaya mu duka mu kowa ke kawo nashi. Mm. Mu abun ga biskan suje in. kawo biskan violence. ne kuka yi yawan taɓowa? Biskan abun ga violence ne muke yi da ake ma mata. Tunda mun ga yanzu cin zarafi. da ake ga musu bai kamata ba saboda shi ne muke neman mu waye ma mata kansu kun mu san da suna da inci kun suna da inda za su taya su kai kukansu bai kai sai sun zamna cikin gida ba ciwo na kashe su har ya kai inda ba a so kenan saboda shi ne mu muka wanga organizan wanga fada don mu san in suna da kukansu suna iya taɓo mu mu kuma a notre tour sai mu ba su kwansai kuma sai mu orientan su don su samu su san incin kansu su san da su ma lalle mata ne inda za su tsaya su karbo eh, su incin kansu ok eh, a Farisa vous avez d'autres thèmes da kuke aborde wa'ansu maudu'ai eh, kaman yadda ta gayi ne biskan violence kaman haccin hakkin haccin mata eh, kaman takura ma yara kaman. shi ne pratik nefas kamar dukansu akwai shi muna tattauna cikin pratik nefas akwai harkan abin ga barace-baracen nan harkan eh, yaran da ake sa aiki cikin gidaje kamar et eh, les petites eh, travail domestique voilà shi shi da su nan duka muna tattauna su duk harkar da bai kamata ba a yi ma yara da mata duka su muke abin ga tattauna. ok kenan idan kuka eh. tattauna tsakankanin ku mhm. sai ku zaɓi maudu'an da ya kamata ku taɓo. Pour une for example kuna ɗaukan tem ɗa nawa? A'a kamar pour une tem guda muke dauka. Mm. Kamar a ce gobe muna da wata activity yau abin da za mu yi goben. Tem shi ne za mu tattauna. In biskan violence ne shi za mu tattauna. In education ne shi za mu tattauna. Tunda muna harkar education scolarisation de la jeune fille dukansu muna yi kamar wanda muke yi shi ne za a yi kamar muna yi yin swimming guda haka muna nan ga yi e, kuna eh, activity kamar muna activity kenan in cikin swimming kin nan muna yi abin ga laboratoire didin nan da ta mm. gai muna yi su ne daban-daban ko in mun yi su gaba daya a press sai a yi sandan su haka ne ake yi tunda in mun zo cikin fada hira ake yi yanda ta gaya muku nan ana dauki abin gani mutum ne zai yi shuwajir mai sajikin sakon da zai yake so mu wayar mata da kai sai a tattauna biskan shi haka ne fati akwai abin da za ki kara mm. kai eh kamar yadda ta gani in a ɗauki temkin guda yanzu daga temkin ne za a hudo sakonnai kun gane daga tem inda aka yi shi for example me ake ce mishi mariage des enfants n'est-ce pas Ah, c'est le thème principal maintenant daga shi ah, oh, ça. za a dauko sakonne message messages. voilà des sous-thèmes à qui mutane la personne part elle choisit le message qui lui plaît et c'est en fonction de ce message là qu'elle aura choisi que la discussion que la sensibilisation va se faire en fait la fadar des filles au cœur de l'innovation. Kamarin da kasani ita fadar tamu ta studio Kalangu ba <laughs> muna ne muna shakatawa Yo, nous allons souffler en musique avec ce morceau Mata du groupe Soga. de la FADA, nous revenons dans notre FADA, la FADA du studio Kalangu, et aujourd'hui avec la FADA des filles pour parler de leur place dans l'inclusion des femmes et des jeunes filles dans les prises de décision. muna a studio Kalangu tare la FADA des filles. On va continuer avec nos questions. Donc euh, Halima. Parlez-nous de l'innovation dont il est question. La FADA des filles ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une création. Vous, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe plusieurs organismes qui font de la sensibilisation. Mais nous, nous faisons de la sensibilisation d'une autre manière. nous n'avons pas créé, mais nous avons innové. Nous ne rassemblons pas les filles, les, gens, pour leur passer des informations, pour leur dire faites ceci, faites cela, évitez cela. Non, c'est pas ça la fada des filles. Nous, nous invitons les gens. Nous venons les voir dans leur communauté avec nos questionnaires. Nous libérons la parole. On vous donne la parole. Dites ce que vous avez au fond de vous. Nous, on écoute. Nous sommes très attentifs à l'écoute. Nous écoutons les gens. On libère la parole. La personne s'exprime, dit ce qu'il a au fond. On ne juge jamais. Nous ne jugeons pas les gens. On échange et nous, on fait passer les messages. Et surtout, on ne contredit jamais. Nous ne contredisons pas nos participants. Leurs points de vue sont acceptables. On écoute. Donc c'est ainsi. Euh, vous disiez tout à l'heure que vous partez vers les gens dans leur communauté. Vous avez déjà fait à l'intérieur du pays Exactement. Euh, en, main, tout récemment, nous venons de Zander on a été à Zander pour une mission, une mission d'où on a, nous avons accompagné l'ambassadeur de l'Union européenne. On était parti dans l'université des Zander pour faire une fada sur euh, les violences en milieu scolaire. Donc nos thématiques diffèrent de la communauté, diffèrent du cible. Nous étions à l'université des Anders pour deux jours d'activité sur les euh, violences en milieu scolaire. et après cela, nous avons été dans, dans une commune appelée Arunguza, où on a rencontré des femmes qui font la transformation des aliments. Et là, nous avons tenu une fada sur la thématique des violences socio-économiques, parce qu'elles sont dans l'économie. Donc, vous voyez un peu comment nous abordons les, euh, nos fadas et comment ça se passe. Une fois à Arunguza, nous avons rencontré les femmes, nous les avons écoutées, nous avons entendu leur message' Et, là, après les avoir écoutés, c'est en ce temps-là que certaines se sont rendues compte que eux aussi, après avoir fait la FADA avec nous, qu'elles sont victimes de violences socio-économiques. Parce que la femme, étant euh, indépendante ou pas, subissent des violences économiques. Dans l'indépendance financière de la femme, il y a la charge de la famille, les enfants, voilà, et tout. Donc il y a tout ceci, c'est comme ça, nous, la FADA, c'est comme ça on fonctionne. après avoir écouté euh, Aketia, vos participants, quelle est la suite en fait Moi je veux savoir, qu'est-ce qui se passe après Comment kuna ba ce conseil ko kuma yanzu kahin amsa ina iya gaya muku da muyi activité da yawa muyi nan yame muyi zender eh, mu gwada muku ba nan muna haccan mhm. eh, mu waye mu bude où le besoin se fait sentir, mhm. donc voilà kenan in da thematic da question in mu on libère la parole on juge pas on écoute in mun ji suke bisa kan eh, message in da muka kawo mu abunda muke muna so ke gidanki ana violente inki koko kahin ka ce wai ki ke wai ki yi shiru nu sai konfe nu muna sa ne ki yi magana ki zo ki tashi ki ki samu kuraji in da cewa ga abun da kike ga anjure in abun da muke ga yin kenan ba wani decision muke dokan ma mutum Non, on ne prend pas une décision à la place de quelqu'un ni à la place du gouvernement. Ça, c'est le gouvernement qui les fait avec les lois, les dispositions et tout. Nous, à Gayen, on libère la parole, on fait en sorte que les femmes aient le courage de dénoncer si elles sont victimes d'une violence ou d'une pratique discriminatoire. Et quels sont les résultats, à quoi les résultats que vous avez déjà obtenus à travers vos sensibilisations Comme résultat, lors du sommet des filles de l'Union africaine, nous avons sensibilisé 1000 personnes. Et de là aussi, avec les archives qu'on a eu à prendre les photos, vous pourrez voir que la FADA des filles, ça marche. La sensibilisation passe et nous avons des engagements. Et après le sommet, nous avons eu aussi à faire des FADA euh, au niveau de l'INGS. Et de là, nous avons sensibilisé pratiquement tous les étudiants de l'INGS. Et nous avons fait deux FADA à l'INGS. Et à chaque fois, les gens revenaient. Je me souviens parfois, des gens ne voulaient même pas quitter la FADA. Ils nous demandaient, vous allez revenir quand mhm. Donc c'est pour vous dire que vraiment notre FADA marche bien et nous allons continuer dans ce sens. Pour ajouter à ce que Malika venait juste de dire, résultat 1, dans muke ga mm. c'est le changement parce que dans muke ga yin lors de nos sensibilisations et tout il y a des concepts que les jeunes ne maîtrisent même pas mm. ils ignorent euh, les, mutilations génitales féminines, l'excision, etc. Il y a des jeunes qui n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Il y a des gens qui viennent et qui nous font euh, la promesse, qui nous disent que eux, ils vont continuer à sensibiliser, à parler des pratiques discriminatoires autour d'eux, dans leur communauté, avec les gens. Donc vous voyez, ça, ce sont des résultats, des résultats concrets. Et pour finir, une dernière question. Quels sont les défis auxquels vous faites face Halima Les défis, ça ne manque pas. Parce que euh, prenons le contexte là où nous sommes. Voir uniquement des filles pour dire que nous sommes en train de lutter pour des sujets tabous ici au Niger. Ah, Je n'ai pas besoin de vous dire les défis auxquels nous faisons face. Nous sommes une institution des filles, uniquement des filles. Donc ça, ça fait en sorte que il y en a qui ne comprennent pas notre concept. Il y en a qui voient ça comme une révolution. Et c'est tout à fait le contraire. Je profite pour dire à ceux qui nous écoutent et à ceux qui pensent que c'est une révolution, non. Nous travaillons pour la communauté pour la communauté nigérienne. Bonjour madame, vous venez de, de nous rejoindre dans notre FADA. Présentez-vous d'abord. Moi c'est Bouba Karseni Katoumi, je suis animatrice de la FADA. Kaltoumi. Oui. Kaltoumi, quels sont les défis auxquels vous faites le plus face Et Parmi les défis dont on fait face, on peut aussi ajouter sur ce qu'on dit déjà les filles, le défi du fait que si on remarque bien ici au Niger, il y a plus de jeunes, mieux que dans nos structures il y a que il y a toujours les anciens qui sont encore là. Le Niger est on à 50% jeunes. Donc si on parle de l'inclusion des jeunes filles, il faudrait bien que les, les, les, aînés, nos mamans qui sont encore dans les ministères et nos papas puissent pouvoir céder la place à nous les jeunes pour prendre des décisions nous-mêmes. Et seuls les jeunes peuvent résoudre les problèmes des jeunes. Donc c'est ce que nous voulons que les gens comprennent. Nos mamans, nos mamans refusent de partir, nos mamans refusent hein, de nous, faire confiance. Parce que je me dis qu'il y a un problème de confiance, il y a un problème générationnel qui est là. Ils pensent qu'on n'est pas compétente, qu'on ne peut pas relever les défis, mais sachez que nos mamans, on peut relever les défis que vous n'avez pas pu relever nous on est là pour ça Donc avant de clôturer notre émission du jour, nous allons céder la place à Oli Choco pour sa chronique du jour. Amis auditrices et auditeurs des programmes du studio Kalangu, bonsoir. À la fada de ce soir, nous allons parler d'un sujet qui devient peu à peu un fait de société. Chers amis, ce soir, nous allons parler des agissements observés en milieu scolaire. Sur les réseaux sociaux, en début de semaine, nous avons observé avec émoi certains élèves agissant violemment dans une salle de classe. Dans un pays comme le Niger où encore une grande partie des salles de classe sont en paille et avoir une classe équipée est presque un luxe, regarder des élèves en train de détruire le peu de tables banquiers c'est un acte condamnable. En tout cas, c'est le ressenti de plusieurs internautes, que ce soit sur Facebook ou dans les groupes WhatsApp. Des élèves nigériens en train de s'amuser avec le peu de matériel existant est condamné par les internautes nigériens. Et même, au-delà de la sphère digitale qu'est les réseaux sociaux, le 6 juin 2022, une note du ministère de l'Éducation condamne les agissements dans le monde scolaire et rappelle la responsabilité des différents acteurs de l'éducation tout en rappelant aux internautes l'attachement du gouvernement nigérien à la question de l'éducation. Chers amis auditrices et auditeurs, au milieu de cette situation, la question que je nous pose ce soir est la suivante. Sommes-nous arrivés au point de non-retour Comment les sociétés civiles, les pouvoirs publics, les parents, vous qui nous écoutez ce soir, comment pourrions-nous aider à ramener l'ordre et la discipline au sein de l'école nigérienne Certains prônent les retours des coups de fouet à l'école. D'autres pointent du doigt le droit des enfants instauré par une vision occidentale de l'éducation. Il est difficile de trouver une solution rapide à une question aussi délicate que celle de l'éducation. Chers amis, auditrices et auditeurs, passez une belle soirée de réflexion et comme toujours, paix, lumière, amour sur vous. One Big Love. À demain. Bye bye. laifin daɗi karewa in Tous à la fada c'est terminé pour aujourd'hui Yo a shirin namu muji mine ake ce ma lafada elles font pas de la rébellion elles font de la sensibilisation tout en innovant et c'était en compagnie de nos invités qui étaient des membres de la fada des filles nous étions avec Zainab Halimantou, Malika Adama Rabia Fatih et toutes les autres merci à toutes d'être venues ne un surtout pas chers auditeurs, tout de suite le forum du studio Kalangu.